Génération FM. Generation FM, best radio. Nous n'avons jamais mis en avant une quelconque utilisation des armes. Puisque dès le départ, personne n'a utilisé les armes pour réclamer ce dont nous sommes en train, n'est-ce pas, de réclamer jusqu'à présent. Voilà, ah justement, cette guerre-là, nous ne l'avons pas cherchée. Elle nous a été imposée par euh, celui-là d'en face partout, c'est la terreur. On est en train, n'est-ce pas, d'exécuter sommairement. Et jusqu'aujourd'hui, l'heure où nous vous parlons, dans le Xinjiang, alors c'est une guerre qui se fait en sourdine. Personne n'est informé. Même vous, journalistes, vous n'avez pas accès, n'est-ce pas, à ces endroits-là. C'est la DIRPA qui donne ces informations. Il paraît qu'il y a eu euh, des commandos qui ont disparu, n'est-ce pas, dans la mer. Et pourtant, il y a eu des, des cas avancés. Et jusqu'à présent, ah, est-ce que ça a été élucidé exactement pour dire pour comment ces gens-là sont morts Mais justement, c'est ça. Et au Sénégal, c'est une habitude des Sénégalais maintenant, surtout par rapport au, à la Casamance. Jamais qu'il y a une enquête qui aboutisse. Jamais. Ça, c'est une belle lurette. Alors, il faut chantonner comme ça. Mais où sont les droits de l'homme l'affaire euh, euh... Et jusqu'aujourd'hui, où en sommes-nous C'est des morts. Macky porte du sang, dans, du sang des casamancés dans les mains. Et je sais qu'il n'ira pas euh, avec une conscience tranquille. Surtout par rapport au problème casamancé. Ce n'est pas une gloire que de faire la guerre au casamancé. Il n'aboutira pas. De toute façon, nous, nous, nous, nous, nous, parce que ñun suñu jitt bi dafa bañon sa luy xex masu koo bëgg biñ doon def fi marche bi dañ doon palper nit ñi sax kenn waru yore gannaay parce que dañu demoon pour revendiquer ñu woo nguur ñu taxaw parce que yi suñu droit la won suñu droit la ba tay fakk ñu waxtaan ak ñom ñu xam fan la tollu fan naka lañ naka lañ wara def te ñom Sénégal xam nañ ñun xel ne ñi ñom indépendance ala kuli al mom la ñuy revendiquer te mom la ñuy revendiquer toujours parce que dafa jotone sax jamono bobu pour di waxtan ci lolu dafa am lu ñul ci soomi parce que ba léegi xam nga li mës a xew fi Casamance mom enquête du am dañuy nan dañuy enquête mais enquête du am depuis quand depuis quand la nyudon def lolu bu nit dé fi bu leen force de l'ordre bu ñu leen reyee ak yoyu mësa mësuta am enquête dañuy naan enquête te dara et ñii encore ñii ñoon bokk ñu ak la liste s'ajoute encore ak ñoom DJ ñi nga doon wax ak ñeneen ñak ñeneen ñi ñii nag parents yi nag ñu ngi réclamé ñu eh, mais nañu wax lu leer ci seen dee parce que ñoom li ñu wax loolu li ñu wax ni lii lii moo leen rey parents yi nag gëmuñu loolu gëmuñu loolu donc euh, fu mu ne nii moom euh, sénégal na xam fu mu féetee bu fekkente ñoom dañoo defe ne